Don't. ce numéro de Tous à la Fada, votre émission toujours à l'écoute des jeunes Nigériens et de leurs préoccupations. La préoccupation de cette semaine, c'est les problèmes post-baccalauréat. Hier, Rabbi Mekano a touché du doigt la problématique du choix des filières pour les bacheliers. Aujourd'hui, on parle de l'obtention des bourses d'études. Ainsi, ils sont nombreux ces nouveaux bacheliers qui, après obtention du procès César, sont plongés dans le doute pour la suite à donner à leur future étude universitaire. Quelles sont les conditions d'obtention de la bourse au Niger On va essayer de répondre à cette question courant notre émission. Pour en parler, nous sommes à la NAB, agence nigérienne des allocations et, et bourses. Avec nos invités, Monsieur Mahamadou, Madame Mohamed Zali, agent ANAB. Madame, nous vous souhaitons la bienvenue sur l'émission. merci Matengo, mattigaham ban samayde matti alhamdulillah dene zanke man tufone ne boba itidan en bobo zankera <laughs> parce que dine bourse bora je suis aussi avec euh, Monsieur Umoru Saleh, agent en scolarité. Métier, hein? Yachiba. Yachiba. Ah. <laughs> Alors, monsieur Moursale, je vous souhaite la bienvenue. Ah, merci. Je suis avec monsieur <laughs> Abdul Razak Munkela, SCAS, du comité directeur. Au nom de tous qui ont donné leur vie pour la naissance et la renaissance de l'Union observant une minute de silence. Là, je sais que ça, généralement, c'est avec ça que <laughs> vous débutez chaque fois À la même de martyr. Alors, camarade Escas, euh, je te souhaite la bienvenue. Merci beaucoup. Escas, c'est le secrétaire chargé des affaires académiques et, sociales. Bon, ça a été scindé. Maintenant, c'est juste le secrétariat chargé des affaires sociales. Sociales. Alors, qu'est-ce qu'on va dire Je suis avec le camarade, euh, pas directeur général, mais délégué général des étudiants de la flèche. La flèche, c'est faculté des lettres et sciences humaines. Et sciences humaines. et flèche. De l'IAM. Et de l'IAM. Et vous répondez au nom de Mahamadou, c'est ça Tout à fait. Alors je vous souhaite la bienvenue, monsieur. Merci beaucoup, cher ami. Alors, vous aurez au menu de cette fada des échanges avec nos invités, des réactions de nos amis auditeurs, de la musique, car que serait une fada sans musique En fin de compte, nous aurons notre chroniqueuse Rookie. Euh, elle va certainement nous dire euh, tout ce qui fait le buzz présentement sur les réseaux sociaux. Selon vous, monsieur, oui. c'est quoi la bourse euh, merci, c'est une très bonne question. Mhm. la bourse, là, ce n'est rien d'autre qu'une aide que l'État accorde ou bien un donateur aux étudiants les plus méritants et aux personnes handicapées. Mhm. Pourquoi nous disons les personnes handicapées Personnes handicapées, c'est voilà. Oh, <laughs> oh, Donc, c'est à cela qu'on attribue la bourse nationale. La bourse nationale. Euh, voilà, mhm. la bourse nationale. Les handicapés. Les handicapés et les, étudiants les plus méritants. Ah, les handicapés. Donc c'est les handicapés et les étudiants les plus méritants. Voilà. Ah, ok. D'accord. noms, Coach, selon toi, je voudrais une définition de l'étudiant. C'est quoi la bourse Selon toi, si je te demande de me définir la bourse en tant que camarade, défenseur des intérêts matériaux et moraux des camarades. Si je dois définir euh, la bourse, je ne vais pas définir ça un peu comme euh, l'agent Lanab l'a mhm. Je vais plutôt définir la bourse comme euh, une situation qu'on peut donner aux étudiants les plus méritants ayant et, ayant du moins euh, rempli les conditions tracées par l'État pour pouvoir avoir du soutien afin de continuer leur étude supérieure. Maintenant, pour donner ce genre de bourse, il y a plusieurs types de bénéficiaires. D'abord, il y a ceux qui bénéficient de la bourse en remplissant les critères. Maintenant, il y a ceux qu'on appelle les handicapés, où le président de la République a eu à prendre un décret pour sauter tous les verrous liés à cette bourse pour les étudiants handicapés. Et maintenant, il y a ceux qu'on appelle les bourses de coopération, étudiants, étudiants, yango dans la recherche de la bourse dans la recherche dis-moi de toi à moi entre étudiants camarades bon tout d'abord je pense que tout d'un élève mhm. c'est-à-dire qui a obtenu son diplôme de bac mhm. son premier souhait c'est d'être boursier mhm. c'est-à-dire une fois à l'université il va avoir une allocation euh, de l'État c'est une euh, subvention, disons, un appui financier mhm. qui lui permet, euh, en termes d'accompagnement financier, pour pouvoir subvenir à quelques besoins d'études à l'université, une fois à l'université. Mhm. Maintenant, par rapport à la recherche, dans la recherche, ce qui va beaucoup stresser, mhm. c'est surtout tantôt par rapport aux informations qui sont véhiculées. Notamment quand on prend l'exemple peut-être de celui qui a obtenu euh, son diplôme de bac, qui mhm. n'a pas rempli tous les critères nécessaires pour obtenir la bourse. Donc les critères font, partie des tracasseries les, critères font partie vraiment des, des cortèges de stress qui stressent beaucoup les élèves. tous les critères. Les critères. Quand, Tu, quand tu entends, on parle des critères d'âge. Critères d'âge. Des critères de moyenne. de... Tout ça là, ça, stresse quoi. Madame, je reviens à vous. Parce que chacun a un mot à dire par rapport donc à ce thème bien déterminé. Pourquoi ces tracasseries Pourquoi tant de, critères pour l'obtention de la bourse euh, Merci. Je vous en prie. <laughs> Donc, vous venez de parler des critères. En hum. réalité, les critères, euh, ce n'est pas nous qui avons mis ces critères. Hum. Ça vient, comme on, vous a dit hum. au, début, ça vient du ministère de l'Enseignement supérieur. Donc, il y a des critères d'âge, mhm. comme il a dit. critère mhm. Critères de, il y a la moyenne aussi, mhm. qui compte donc, c'est, si je peux le dire. Euh, hum, c'est un peu ça les critères. Voilà, c'est un peu ça. ce ne sont pas des tracassures. Les critères là sont, sont là pour arranger, pour cadrer ah, pour ne pas donc euh, permettre l'accessibilité de, l'accessibilité de la bourse à tout le monde. Parce que, ah, ah. et pourquoi pourquoi, on ne pas attribuer la bourse à tous les étudiants Parce que, excusez-moi du terme, oui la plus belle fille du monde ne mhm. peut donner que ce qu'elle a. Hmm. Parce que les, critères sont euh, très simples. Il suffit euh, seulement d'être nigérien. Hmm, d'être nigérien Avoir le bac. Avoir le bac Ne pas dépasser 23 ans. Ne pas dépasser 23 ans. Et avoir une très bonne moyenne, c'est tout. Si c'est un, littéraire, si un littéraire garçon, mhm. c'est 10 c'est 10,50. Si c'est une fille, c'est 10. Et dans Allah mais voilà, visa, critères, carnone, tracasserie, tracasserie, tout ça là. L'État ne peut pas vraiment attribuer la bourse à tous les étudiants tu l'as écouté. Je ne suis pas d'accord. Aigo Kadjina, je voudrais avoir ta vision. Naka vision. Voilà. Nous on mo dile Donc son aiwo ni nofondo salangé c'est matu no. Parce que wo kanga ay diango pour revenir par rapport au tracassé. Il faut c'est no irne tracassé En quand c'est irne tracassé ri no non. Aya bagu hunkuna ir Niger labora. Matkal oh. lo colisé go gatabi, matkal le colisée hayre go gatabi. Hadde ni kokarni hayre idini se. Mm. Kalni ko ni du bac. Mm. Ay mandi mene gwamnati.

Eh, ayo ay gundan kay gici ba a ah, niyar din sanno ka ci wal mun mar sam a ah, ay si nangu fongo ne kay si randa wan sanne ok <laughs> zama yo nango kai go moi je suis un père de euh, euh, d'une famille ok j'ai au moins trois enfants mm. mais ay zai dai ba eh, parce que ay waji ay ji ciwandi ay ji ciwandi mhm. fu mhm. dai ba a fo kulu a madu gwani mm. ai ga ne no barkan resi tai sai ya ci ne mm. dai fatta ai ga da sai ya ci ne

Voilà. Donc du coup, il faut que amener, il faut que nous 12 de mois, il faut que nous nous bako jiro nan skin. Ko ken sin san kan tantan. San digo on Qu'est-ce que tu dois faire par rapport à ça Hal gomnato ne ingen étudiant ngay dini ingi te ise yatin wakandu wakandu mention yatin ngi ta sa yatini. Nous on a préféré à ce que l'état impose comme critère d'obtention de, de, de la bourse l'obtention du bac. Ça va encourager les Nigériens à avoir plus de bac. Parce qu'aujourd'hui, quand on prend le taux d'intellectuel de ces pays est trop faible, le taux de bacheliers est trop faible. Non, apparemment, on ne va pas se comprendre. j'ai des mots de tête. J'ai des mots de tête. j'ai des mots de tête Alors, on va prendre Doliprane avec Hakim. On va prendre Doliprane, c'est de la musique qui parle justement, puisque Tracasser, apparemment, c'est femme de Tchad. Donc, du coup, il musique la musique comme Doliprane, c'est Doliprane, c'est faire nos kang bondori banandi. Donc, aran Tracasser, do comment tracasserie, hein, On a des mots de tête. On va prendre une petite pause musicale parce que la musique aussi a sa place sur cette émission. Cool vénère. Quand j'ai sorti le rap, j'ai dit sortir les armes. J'ai payé des mouchoirs, je sais que je vais couler des larmes. Maintenant moi la gestuelle, mate la musique et tous les charmes. Message à tous mes fans, voici le doliprane. Hey, yaro façon lâché karadu buse meje iya me hura qui ban kwanan kunu ki bar a checker. Alal misali masta kotan tanka filin daga dan kabewa. Pour faire la zik suffit pas d'avoir le talent, faut de la personnalité et un bon comportement. Y'a trop de haine, on s'entretient pour des miettes. Faut garnir l'assiette dans ta tête, mais ça sera parallèle. Mais parlez pas de Dieu, mais parlez pas de son prophète. Mais parlez pas trop de Coran, la foi c'est dans le cœur. Tu peux le vénérer, limiter des louanges. Tu verras les anges qui te diront que la zik c'est pas halal. Kazaburo Kayaro et Mizakai. Don akim Shine Tuyo, on a way da Magani. c'est un Hankali, Dona da Mune Yaran Zamani. Zogajin de Magani, da Bawurin Zoua, Segona. La prod des salivés, parce que les vrais l'ont validé. Ivo, t'as pas idée de comment moi j'ai charbonné j'ai pardonné sans pardonner. Mais est-ce que Dieu va pardonner Mais que tu viennes ou que tu vas, sache que le terrain est miné. Ah, Kemastabe, Agagauta, Kabani, Meka, Antakareba, pas, Parce que le DH est bleu. et puis Massifa, le Kebri, la petite nous sert le premier. On va danser sur la trappe au niveau international. Je vois l'amour de mes fans perdu dans les salles. J'ai plus d'amour pour ces gens, je reste le marginal. C'est pas de l'ego trip, non, non, c'est pas des punchlines. Tourner dans les villes avec mes proches, donc ça sera l'idéal. Je suis dans les allées, en haut au sommet de la falaise. Sache que la prod et les elle leur donne beaucoup de malaise. Dans les allées, je suis calé, tu parles en bien ou en mal. sache que j'accomplis le taf et que je vais remplir des salles. Quand je lui pardonné, croyait que j'ai lâché l'affaire. Mais je l'ai fait juste pour revoir les sourires de ma mère. Alors, on a, à l'instant, c'est donc Hakim. Je pense bien que ça va. Tout est rentré dans l'ordre, comme on dit. De retour sur l'émission tout à la Fada. Nous sommes à 50 mètres de l'ANAB. Présentement, il y a Borfongo Tabata, il Bourseta. Borfongo bourse d'orientation. Il Coopération. Coopération. Bourse de coopération Parce que nous déjà l'ambiance est phénoménale. Comme on dit, terme Fada. Borengo Tabata. Si moi ici, dit zamir ni cer ni ka ina wallahi ngor boza ta non ga isi missionte donc ngai non ha kudengir se cara donc bor famo go ci bourse an ga tashi hankali no denara alors nous allons donc euh, vous dire surtout de ne pas oublier de vous abonner à notre fil WhatsApp en envoyant jeune au ahaku kurkuto kurkuto idu ahaku ahaku igu itachi un de nos auditeurs Jibril Hassan de Niamey a une question pour vous maintenant ce que j'aimerais savoir après l'obtention du bac, la bourse, la bourse nationale, on doit déposer des, doit déposer des dossiers des dossiers pour avoir la bourse nationale ou bien c'est à l'école de donner la bourse nationale. ok, on retrouve, vous avez donc écouté, c'est aussi des réactions de tout le monde. Alors, monsieur, nous avons euh, donc un agent aussi de l'ANAP, c'est ça Vous allez vous... Bien, je m'appelle Mayana Suleiman, je suis au service communication ANAP. Ok pour tous les candidats officiels admis au bac. Ils doivent préparer leur dossier après admission, déposer dans leur établissement. Mhm. Et ce sont les proviseurs des établissements qui doivent nous acheminer ces dossiers à la NAP. C'est une question de justice. Oui, oui. C'est une mhm. question de justice. Mhm. Imaginez quelqu'un qui est à Ayoru, un élève, s'il doit venir à Niamey, ou quelqu'un qui est à Ningimi, s'il doit lui-même amener ah son dossier, c'est quand même lui demander beaucoup. Ça, c'est pour les candidats officiels. Il y a maintenant les candidats dits candidats libres. Mhm. Et comme ils sont libres, mhm. ils doivent amener leur dossier eux-mêmes à l'ANAP. Parce qu'ils n'ont pas d'établissement. Euh, parce qu'ils n'ont pas d'établissement, ils n'ont pas de référence. Ouais, ça c'est clair. Ils déposent eux-mêmes. Merci en tout cas pour cette très belle intervention. On revient à toi. Qu'est-ce que toi tu penses de ces propos Si c'est l'étudiant qui doit déposer euh, ses dossiers ou si l'école, alors tu l'as écouté avec attention. Tu penses que la solution ou le problème, le problème a été décanté ou... non, j'ai écouté l'élève et ça m'a donné un sentiment un peu de, de propositions envers la NAB. C'est-à-dire le problème qui se pose, <clears throat> vous savez, ils envoient des missions mhm. dans pratiquement tous les Niger, mhm. mais je vous assure que c'est des communications qui n'arrivent pas à satisfaire le grand nombre des élèves qui sont au lycée. Pourquoi Parce que c'est vrai, on envoie des missions, mhm. mais les missionnaires là qui partent, est-ce est-ce qu'ils prennent tout le temps qu'il faut pour expliquer aux élèves concrètement, voilà la mission de la nap ou bien voilà comment ça se passe. Hmm. Généralement, quand ils partent, nous avons tous été des élèves au lycée, ils font des communications et ils passent très rapidement. Hmm. et ça n'arrive et du coup, pas à du coup les élèves n'arrivent pas mais à le comité mais attends, l'essentiel mais attends le comité le comité directeur euh, peut aussi s'occuper de la question en dehors, de ça je pense qu'aujourd'hui la NAP doit doit penser à se contextualiser à l'évolution technologique technologique. C'est-à-dire au lieu de avant, faire... Avant, l'évolution technologique, mon frère. D'accord, on, va, on, va, on va permettre aux camarades casser. défendeurs des intérêts matériaux et moraux des camarades. Camarades casse. si la, la a commencé le taf, comme on dit, en termes fada, mais vous pouvez peut-être aussi euh, véhiculer l'information comme ça se amener, sensibiliser, amener ses camarades euh, à comprendre un peu la question. Oh, Maintenant, mm. ce qui fait, nous, le problème monotique, on n'a pas les mêmes moyens que l'ANA pour pouvoir faire euh, véhiculer les messages. Par exemple, oui, on n'a pas les mêmes moyens que l'ANA. Je n'ai pas dit on n'a pas les moyens, ah. on n'a pas les mêmes, moyens nous, quand il y a des questions de bourse, mm. surtout en, début d'année, ou mm. en fin d'année, quand on finit les examens du baccalauréat et ce qui s'ensuit, nous, nos seuls euh, interlocuteurs, qui peuvent nous véhiculer les messages, c'est nos sections lycées et collège et nos sections universitaires. Mhm. Donc chaque fois qu'il y a des questions de bourse, par exemple comme les bourses de coopération, nous faisons en sorte d'envoyer les copies des fiches au niveau de toutes les universités publiques de l'intérieur du pays et au niveau des sections lycéennes et collégiennes où nous les demandons en fonction de leurs moyens de créer les conditions pour faire partir, pour faire du moins ça, circuler et véhiculer les messages par rapport à telle ou telle bourse. Maintenant, en ce qui concerne les communications de fin d'année, mm. ce que nous utilisons parfois, c'est une activité du CDISN que nous appelons d'habitude la semaine du scolaire nigérien, mm-hmm. où nous créons les conditions pour que toutes nos sections des différents départements, des différentes régions puissent participer et que nous les utilisons comme pères éducateurs qui vont sensibiliser encore les autres. c'est de quoi je parle. Pourquoi irgi utilisé pour que dika inga kanta ir section e jin bore dika ima ya cinno le kolise him gite da bako ban ya cinno ni him gite dossier ya cinno ni him gite dan wone no ni him ga goida wone no ni him gite irgi ni daran koy arama te mata kul kanno arama message faire passer pour que le kolise yare mo kay kak kay kak parce que ne bay mission mo auditeur e gonga kam sanni alors irga hangan afonse salut studio kalangu moi je suis seulement depuis l'université de en fait, euh, j'ai une question relative à l'obtention de la bourse pour les nouveaux bacheliers et de la série A4. En fait, euh, ce que j'aimerais savoir, pourquoi on ne donne pas la possibilité aux nouveaux bacheliers qui sont admis à l'issue du second groupe d'avoir la bourse C'est ça ma question. Concernant aussi la bourse, il y a certains élèves qui arrivent à avoir la bourse nationale, les élèves de A4 qui sont admis à l'oral. J'aimerais savoir quelles sont les conditions qui ont permis à ces élèves d'avoir cette bourse. Merci à vous. Alors, Monsieur Mayana Suleiman, chef service conseil et communication ANA, vous avez écouté avec attention tout à l'heure l'auditeur. Il vous a posé une question. Vous avez compris la question Vous pouvez lui répondre Oui, merci de m'avoir tendu votre joli micro. Ok. Euh, Pas de quoi. Euh, vous savez, euh, quand on est dans le stade de développement, mhm. il faut des règles du jeu. Mhm. Pourquoi on ne permet pas à celui qui est admis au second groupe d'avoir la bourse L'État a analysé et l'a filtré. Mm-hmm. Cela fait partie de la stratégie de l'État pour stimuler mm-hmm. les élèves des séries littéraires à rapidement avoir le bac au premier groupe. Mm-hmm. Maintenant, euh, parallèlement, l'élève a dit ceci. Euh, il y a des élèves du second groupe euh, qui ont eu la bourse en série littéraire. C'est tout à fait normal. Quand nous rentrons dans le champ des bourses de coopération, hmm. si vous déposez votre dossier en Algérie, vous demandez par exemple tourisme, il n'y a pas de candidat à tourisme, on ne va pas prendre celui qui a 12, on va lui donner tourisme, alors que celui qui a 12 n'a pas demandé tourisme. Hmm. Vous, vous avez demandé, vous êtes admis au second groupe, vous passez. Hmm. Euh, nous sommes si transparents que tous les résultats que nous obtenons en conseil d'administration nous les affichons ici à Niamey et au niveau de plusieurs universités du Niger. Après, on va Après y a pas de à l'étudiant qui défend aussi les étudiants sur l'émission de placer par rapport à l'obtention de la bourse. Vous l'avez écouté avec attention. Vous avez quelque chose à dire par rapport à ce qu'il a dit ou bien vous êtes d'avis avec... Euh, non, je pense que ce que l'élève a souligné, c'est très important par rapport à l'obtention de la bourse. Hmm il a parlé de la série A4. Mm. C'est-à-dire que celui qui arrive à avoir sa, euh, son bac mm-hmm. en second groupe, mm-hmm. il n'a pas le même, c'est-à-dire il n'a pas le même traitement que celui qui a le bac D mm-hmm. ou le bac scientifique. Mm. Je pense que ça, ça laisse croire également un sentiment. Au niveau des élèves, j'en suis sûr que c'est un traitement discriminatoire. C'est-à-dire que ceux qui ont le bac A4, ils n'ont pas le même traitement que ceux qui ont le bac le bac. Donc On, doit, revoir la question. Alors que c'est le, je pense que c'est le bac, ils sont tous des Nigériens, c'est le même bac. ils ont tous accès à la même université et c'est des étudiants. Alors, dites-nous, s'agissant des bourses d'études, combien de types de bourses d'études on peut trouver à la Et quels sont les critères généraux communs à toutes ces bourses Voilà, euh, merci. Nous avons d'abord euh, la bourse nationale. Mhm. Nous avons aussi la bourse de coopération. OK. Ah ouais. Donc, euh, il y a une troisième aussi que l'État a pensé mhm. aux excellents. C'est ça mhm. que nous appelons la bourse d'excellence. On peut avoir les critères avec vous Ou on, donne un peu. Euh, bien, euh, d'une manière ramassée. il y a des critères généraux et critères spécifiques. Critères généraux et critères spécifiques. Voilà, les critères généraux, il suffit d'être. bon, pas nigérien, c'est-à-dire avoir la nationalité nigérienne. Avoir la nationalité nigérienne n'est pas dépassé 23 ans pour pas un candidat officiel. Mm-hmm. Être candidat officiel. Euh, voilà, euh, non, candidat officiel 23 ans. Candidat libre 24 ans. Ok. Et maintenant, si vous êtes de la série littéraire, mm-hmm. pour un garçon, mm-hmm. la moindre d'attribution là, il faut que ça soit 10-50. 10-50. Si c'est une fille, la moindre d'attribution là, c'est 10. 10-50 mangahara, école ou bien examen euh, examen, école Classe plus bac. Classe plus bac, il faut que nous 10-50. Si ça te donne 10-50, tu as la bourse. Hmm abandonner aban pas bon. Et toi, Deborah, mon redus 10 50 alpha ga manga coyan sibaytidengo kaka 10 50 mon frère 10 50 ka classe plus examen Oui, dammi mais qu'est-ce que vous voulez hein? <laughs> Voilà, 10 50. Fada, nous sommes à la Fada. 50. La moyenne, 50. la moyenne pour avoir la bourse, n'est pas dépassé. Bac plus euh, au bulletin. Pas tout à fait. <laughs> Ok. Ça, là aussi. Je comprends pas ton inquiétude. À même temps, on va souffler en musique. <laughs> on va souffler en musique. C'est important de prendre, de changer un peu. Euh, de prendre un peu de musique sur l'émission. Nous sommes jeunes, l'émission se veut aussi jeune. Alors ils sont certainement nombreux et nombreuses, euh, nos amis auditeurs et auditrices qui écoutent cette émission depuis Aradez, depuis Difa, depuis euh, Dosso, Tilaberi, Tawa, Zender, Maradi, Niamey et ses environs. Merci donc pour votre marque de confiance, merci pour votre fidélité. Voici donc pour vous de la bombe vibe, c'est de la musique. Alors ça coule, ça va couler dans vos veines, on kiffe et tout de suite on revient pour continuer ce que nous avons commencé. Musique! All alongside Nancy Panaga. Original I'm alongside Nancy. All disc forever. Nick on the beat. Rap nigga take on a Sunday, Sunday. Rap nigga take on a Sunday. Hey, don't nigga take on a ganji, ganji. Don't nigga take on a ganji. MC, play my si for the ganji. Come on, get a miss the ganji tunandi. Hey, si ma si va tunandi. Rap nigga take on a Sunday. Agoi masimali futandi, dinne tukai galala da gondi. Agoi masimali futandi, dinne tukai galala da gondi. Kuna daina balau tunandi, aibon no gaibon gartandi. Hey. Vous écoutez tous à la FADA. Nous parlons des conditions d'obtention des bourses qui est un véritable casse-tête. Nous sommes à 50 mètres de l'ANAB. On va donc euh, euh, commencer avec euh, nos camarades étudiants. quelle solution vous proposez Quoi pour faciliter l'obtention de la bourse en Niger par rapport à la première solution que je propose, mhm. c'est surtout envers la nappe. Mhm. C'est-à-dire je vraiment propose à la nappe des solutions concrètes, mhm. c'est-à-dire au niveau de la sensibilisation, de beaucoup sensibiliser parce que vraiment il y a, y a, un défaut communicationnel à ce niveau. Les élèves ne sont pas beaucoup édifiés. Le grand frère disait qu'il y a des élèves qui ne savent même pas remplir des formulaires, parfois des demandes. Donc là, à ce niveau, d'une façon très intelligente, l'ANAP peut mettre à la disposition des, des, élèves là peut-être un exemplaire de, de formulaire en ligne mhm. pour que tout bachelier qui arrive à obtenir sa bourse, il va juste se connecter. Mhm. Et là, je ne pense pas si l'ANAP aujourd'hui mhm. a un site internet là où tu vas aller juste sur les net sans même besoin de te déplacer et venir à la nappe et de trouver un agent qui est sous l'effet des nerfs mhm. et qui, qui, va te recevoir très mal mhm. ou bien qui va te pourchasser. Vous l'avez écouté avec attention, tonton Ces hein? propositions. Alors, qu'en pensez-vous euh, euh, ça, peut changer, ça peut changer les choses, ce qu'il a dit euh, Bon, est-ce que ça peut changer Mais je pense que d'abord, par rapport à ce qu'il a dit, il y a quelques contre-vérités. Mhm. Nous avons fait des missions à l'intérieur du pays. Nous avons déposé des rapports de mission. Tous tant qu'ils sont assis ici, cette bonne dame a fait Niamey. Lui, il a fait Zender. L'observation qu'on a faite, on se retrouve tous au même pied. Que on finit la sensibilisation à temps et nous quémandons même les questions auprès des élèves. Hmm. Nous quémandons les questions auprès des élèves. Hmm. Donc s'il dit qu'on va rapidement, moi je suis surpris. Alors, c'était donc la réaction de nos invités. Vous avez toujours cette possibilité, en tout cas, de nous envoyer jeune à travers notre euh, WhatsApp, euh, notre numéro WhatsApp 80 06 88 54 pour recevoir tous nos contenus. Nous acheminons donc vers la fin de l'émission. Dernier mot, on va faire le tour de la table. Dernier mot des membres de cette fada New Look. Bien, nous rappelons pour la bourse, pour la bourse que nous sommes à la disposition des étudiants et nous sommes à la disposition de l'État nigérien pour faciliter le développement. Mhm. Alors, quel serait ton dernier mot par rapport au terme du jour et par rapport à ce qu'ils viennent tous à l'instant de dire sur le fait, <coughs> en, tant qu'étudiant, notre plus grand souhait, mhm. ça a toujours été, et les étudiants ont toujours été respectueux, mhm. en tout cas la majorité on ne dira pas qu'il n'y a pas de mauvaises graines. Mhm. de, la même, façon qu'à la mhm. il y a de très bonnes graines, de très, de très bonnes personnes mhm. qui sont très respectueuses vis-à-vis des étudiants qui prennent, qui prennent tout leur temps à t'écouter. On dit à ceux qui, quand tu rentres au niveau de leur bureau, on dirait qu'ils ne sont pas là pour le travail pour lequel ils sont payés par l'État. Ils ne vont pas t'écouter, ils vont crisper le visage, ils vont même te demander de sortir de leur bureau. Et ils sont là. Merci. Merci beaucoup. Mon frère, comme on dit. Alors, nous accueillons à présent notre chroniqueuse de la semaine, tous à la Fada. Ruki, how do you feel? Tu pètes la forme ou c'est la forme qui te pète Dis-moi. <laughs> Les deux. tu es prête pour la chronique Oui, je suis Alors dis-moi, qu'est-ce qui fait un peu l'actualité Qu'est-ce qui fait le buzz, le buzz ou le buzz euh, D'abord, euh, où que vous nous recevez, euh, amis auditeurs, <laughs> passez un excellent moment de fête. Mhm. Alors ce soir, je prends la relève de mon ami Olivier et je vous parle du concours TEF. Parle-moi du concours TEF qui est destiné aux jeunes africains. Ce concours est gratuit et accessible sur le site www.tefconnect.com. Mhm. Ensuite, euh, l'appel de Damergou lancé par le feu général Seine Kounke et bien sûr des opportunités d'emploi. Alors, Ruki, on commence par lequel Le concours TEF Bon, toi-même, tu le sais. Ah, Moi, je dirais l'appel du Damergou d'accord. Donc, euh, le Damergou doit être sauvé et le Damergou sera sauvé. C'est là un extrait du discours prononcé par le feu général Seine-Countier en 1975, alors qu'il était encore chef d'État. Plusieurs années après, euh, cette lutte a, continué. Actuellement, euh, le résultat est là avec les, gouvernements le gouvernement qui se sont succédés de 2011 à 2018, euh, il y a eu des travaux de récupération des terres au niveau de, de, Tanout qui ont concerné 5521 hectares. Donc il y a eu des plantations en bloc de 7542,50 hectares et une production de plants de 375 000 plants sur cette période. Donc euh, il y a eu la fixation de 230 hectares et l'ensemencement de 5 521 hectares. Alors 44 ans après, dans le département de Tanout, des milliers d'arbres ont été plantés sur 7 542 hectares, ce qui a permis d'ailleurs de récupérer 5 521 hectares de terre dégradées dans cette partie de la région de Zender. Ah, OK la suite de ce que tu as commencé, Ruki, c'est très important. D'accord. Et aussi, nous avons le concours TEF qui permet de sélectionner des jeunes afin qu'ils profitent d'un programme de coaching en business et leadership. Mhm. Ceci pour donner plus de chances aux jeunes porteurs de projets qui ont besoin d'un appui financier non remboursable de pouvoir avoir un financement. D'ailleurs, ce concours est organisé par la fondation du milliardaire Tony Emeloulou en collaboration avec le Fonds des Nations Unies pour le développement. Euh, Ruki, Rappelle-nous le moyen d'y adhérer. Alors, euh, pour y adhérer, rendez-vous juste sur leur site www.tefconnect.com. La date de clôture pour postuler au programme, c'est le 20 août 2019 à minuit, Inch'Allah. Alors côté emploi, euh, quelles sont les opportunités Rookie Côté emploi à Niamey, la coopération allemande GIZ recrute un conseiller technique appui au processus de transfert des compétences et des ressources pour servir au niveau de son programme PRODEC à Niamey pour un contrat à durée déterminée, un diplôme du niveau master, donc Bac plus 5 en décentralisation, administration territoriale et gestion des collectivités territoriales est demandé. Plus d'infos au 20 73 64 80. Je dis bien 20 73 64 80. Vous pouvez aussi euh, les contacter sur leur adresse euh, e-mail sur euh, cosef.internet.ne au plus tard le vendredi 23 août 2019 à partir de 12h30 minutes. Super. Et dans la localité de Gotay, c'est la région de Tilaberi, l'ONG Marie Stops recrute un assistant communautaire qui sera chargé de la mise en œuvre des activités de mobilisation communautaire pour la promotion de la santé sexuelle et reproductive, planification familiale, afin d'améliorer l'accès à la qualité des services de planification familiale au niveau des centres de santé intégrés CSI du district sanitaire de Gotay. Les dossiers de candidature comportant le CV détaillé et la lettre de motivation. Retenez bien maximum deux pages expliquant comment les compétences et les expériences du candidat répondent aux exigences du poste doivent être reçues par courriel au plus tard le 16 août 2019 à partir de 17h00 à l'adresse suivante recrutement.niger.maristops.org. Enfin, dans la région d'Agadez, il est recherché dans le cadre du programme bilatéral de la Croix-Rouge française en partenariat avec la Croix-Rouge nigérienne, deux chargés de suivi, évaluation et qualité pour une durée de six mois. Les dossiers de candidature doivent être déposés dans les bureaux de la Croix-Rouge française et nigérienne à Niamey, Agadez et Zander à la date limite du dépôt qui est le 16 août 2019 à 12h00. Pour plus d'informations, contactez le bureau de la Croix-Rouge le plus proche. Merci Zuki. Euh, pour ces excellents euh, partages, comme on dit, en fada, en potes en On se dit donc euh, à Avant de se quitter, retenez cette citation de Confucius qui dit ceci Ne vous souciez pas de ne pas être remarqué, cherchez plutôt à faire quelque chose de remarquable. D'ici là, portez-vous bien. Et moi, je dirais, le bon sens, c'est la chose la mieux partagée, philosophiquement parlant. Le remerciement à l'endroit de tous nos invités. Sans exception, nous étions donc avec M. Mayana Suleiman, chef service conseil et communication en Nab. Tonton, salam alaikum. On est ensemble. Nous étions aussi avec euh, Madame euh, Mohamed Zali, agent en Salam alaikum, Et ça, vous nous étions aussi avec M. Abdul Razak Munkaila, camarade d'ISCAS du comité directeur. Nous étions aussi avec M. Mahamadou, euh, euh, DG Flèche. Salam alaikum. Alaikum salam. Merci vraiment pour. Merci bien, on est toujours ensemble à la FADA. Nous étions aussi avec euh, Monsieur Oumarou Saleh, agent scolarité à Aïneha, Anchi Iban, Amandjang aiki ba a ban mai wala ir sabuwal merci ir ko de min inda ran kulbe ran ah, wallahi ko aran kan aran kan dirse ko kari boyri ir ir fa ir fa mo guma on connaît mission gobom nous sommes donc à la fin de nos échanges fada say bazak machine ngand fadan chai a ah, sai dai kit da to a sega ga da to bazak ta ah, <laughs> mata hey <laughs>